gingembre bi moom dafa baax lool si góor ak ay vertu am baax lool itam si organisme buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bi sàppi nag oh, oh dina yok sen katan bolé ci vitamine rek la ñi bëgg so naturel nag Vito soo pour fête bu mënti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nag emballage civilisé te wóor ak jus Vito da ngeen am choix Vito jus et so existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres Vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 explosion de ça. Comptabilité et gestion, assistanat de direction, secrétariat bureautique, gestion hôtelière et restauration, marketing communication, informatique de gestion, génie informatique, agroalimentaire, génie civil, électrotechnique, électromécanique, génie électrique, génie industriel, qualité, hygiène, sécurité et environnement, sciences et technologies d'information et de communication, réseau et sécurité, contrôle de gestion et système d'information, ingénierie de conception et de développement d'applications, administration de bases de données et technologies Technologie web. Nous proposons aussi d'autres diplômes sur la base d'une convention de partenariat qui nous lie avec les grandes écoles marocaines et la Fédération internationale des études. Nos diplômes, certificats professionnels de spécialisation. jàmm fii seen télévision préférée 5 TV yéen a ngi comme dañ ko ni ngeen ko tàmm di Amérique ak heure bu baax bi mu nekkoon rek il est 14 heures euh, passé de 29 minutes kon nag mi ngi noonu rek seen émission. faax ñu gën ko xam si euh, cinq si euh, midi d'info kon nag mi ngi noonu rek midi euh, mi ngi noonu di soog a tàmbale tey nag si li nga xamante ne moom mooy alxemes bi kon nag mi ngi noonu mbokk yi ñu ngi noonu nag émission bi tey dañ koy jàll rek partage ko ak ki nga xamante ni moom mooy Abdou Maye Faye moom mi nga xamante ne rek gën nañ ko xam si ki li nga xamante moom mooy président du mouvement des jeunes d'espoir du Sénégal mais aussi il est membre plateforme F24, mais aussi il est aussi secrétaire général de la nouvelle membre de la nouvelle membre du collectif pour la défense des consommations qu'on a mi ngi noonu Abdou ñu de la fay.

waaw ah, tamit euh, de le remercier parce que vous avez fait le plus difficile moi, le déplacement donc euh, Yakarna, nous aussi euh, on doit te remercier kon nag mi ngi noonu mbokk yi Midi Info tey bi nag dinañ ko. Euh, faram fàcce rek si ñeenti anam kon nag bis bi si njëkk rek mooy dinañ waxtaan si li nga xamante ne moom mooy euh, sur la situation critique de Ousmane Sonko alerte de euh, Pastef ainsi aussi dinañ waxtaan si li nga xamante ne moom mooy le président Macky Sall mi nga xamante ni moom la ñuy xaar le 9 mu nekk li nga xamante ne rek si la war a wax rek ki nga xamante ne moom mooy doon ki koy remplacer mooy son futur candidat pour les élections à venir mais aussi dinañ wax tamit si li nga xamante ne moom mooy les euh, la pluralité des des candidats si l'élection se profile à l'horizon mais aussi sur la situation inédite entre inondation et manque d'eau comme ni ngeen ko gisee euh, euh, fi si Sénégal dafa que lo xamantene rek daf nek nekk chaque période d'hiver euh, dañuy ak li nga xamantene mom moy situation d'inondation surtout fii si Dakar mais tamit gis nañ situation bi nga xamante ni moom lañ jànkontol fële sa Touba tamit pour terminer rek dinañ wax tamit si li nga xamante ni rek moom mooy nouvelle information bi nga xamante ni tey boo xoolee ça faire l'information du jour moom moo nekk peut-être sax on peut le considérer comme l'information phare de la journée mu nek rek li nga xamanteni mom moy euh, l'immigration clandestine mi nek rek li nga xamanteni dañ ko mëna wax ci euh, l'immigration irrégulière kon naka mi ngi non gis ngeen ko acteur information yi nga xamanteni mo wacc wàcc acteur 118 personnes yi nga xamanteni rek tay tamit euh, ñi ngi noonu sauver waat nañ leen rek ci li nga xamanteni mom moy mooy immigration clandestine bi fas yéene del rek Barça wala Barça ki bi nekk loo xamante ni amaana euh, fii si Sénégal jeunes yi daal euh, amatuñ li dul rek euh, benn espoir mooy lan jël rek li nga xamante ni mooy gaal gi ba génn fii nga xamante ni mooy si réewum Sénégal donc mi ngi noonu nag si ngeen taaxirlu rek mbokk téléspectateur ñu faram fàcc ak suñu invité Abdou ñu ngi lay siyaar dañuy wax rek commencé waat si li nga xamante ni rek mooy li ma doon wax mooy le président Ousmane Sonko gis nañ Euh, état critique euh, bi nga xamantene rek mom la mom la nek jamono ji ak euh, li nga xamantene rek mom moy ban taxaway la si wa PASTEF am instant bii nii. voilà merci beaucoup Sëñ Fall je pense que tay situation Ousmane Sonko nekkee nek na situation bu nga xamné peut-être métti na képp kuy sénégalais métti na képp kuy combattant de la liberté. métti mhm. na képp kuy démocrate. Mhm. par nature donc je pense que tey. C'est na situation bu nga ne mu am ba ñu koy ñaawlu donc ma position et ma vision sur ça n'est plus à démontrer et je l'ai toujours montré sur le terrain par mes actes sur mes sorties médiatiques mhm. euh, dañ ko fistiser méttatlu ko parce que japp nañ ne tay voilà euh, leen ko fa des calculs politiques donc actuellement il vit dans une situation un peu quand même beaucoup plus grave mhm. gis nañ alerte comme nous ko bien vrai que waa PASTEF génn nañu wax la coalition qui Askan Wi tous les combattants de la liberté de ce pays génn nañu wax mais gis sont ba léegi rek am na fa donc je pense que tey situation à mu toll il est évident que nous revenir tout en arrière xam ne que tey euh, nguur la koy joxe. Euh, il est évident à un moment donné aussi ñu xool lu nga xam mooy intérêt Sénégal Ousmane Sonko il mérite beaucoup de respect dans ce pays. Mhm. quel que soit quand même euh, luñ ko mëna a ñu que tay nek na jeune bu nga compte plus de 2 millions de Sénégal derrière lui. Mhm. Sénégal nak ton nañ que tay je pense que tout sax ñëwaat ci débat parce que on en a parlé assez mal def nañ ci ay sorte yépp lu ñu war en tant qu'activistes et en tant que membre de la société civile. Mhm. porte nañ combat pour quand même réclamer la libération de tous les détenus politiques. parce que on parle d'Ousmane Sonko mais n'oubliez pas qu'il y a mille quelques détenus politiques. par la grâce de Dieu d'ici ces 4 derniers jours parcours là. gis nañ né am nañ jeunes yu bari ñu jot a libéré. ñu ngi wajj gis nañ quand même am nañ ay ay cortège de jeunes yu nga xam ñu ngi leen di commencé di libéré te ñu ñaan yalla aussi mu continuer noonu. la place de ces jeunes c'est pas c'est pas dans les prisons. leur place n'est pas du tout dans les prisons. jeunes yi réew ñu fenn ñu sàcc ñu violé wu ñu ce qu'ils ont fait c'est de combattre c'est c'est de de combattre quand même euh, l'injustice injustice. lu ñu gëm mooy lutter contre pour la libération de l'afrique en général. Mhm. ñu nek ay ndaw ñu nga xamné ay ndaw ñu war naw Aïda ñu nga xam que tey ay ndaw ñu dëkk war jox cër la. parce que c' est pas donné à n' importe qui ñëpp toog jël caan nga bàyyi sa yëpp nga ne que je vais donner ma vie pour l' avenir de ce pays. je pense que ce sont des gens qui méritent beaucoup de respect et que leur place n'est pas du tout en prison. pour le cas d'Ousmane Sonko c' est une demande sociale. Mhm. C'est une demande nationale et internationale. C'est le mhm. monde en général qui réclame sa libération. Mhm. donc je pense que aujourd'hui dañu war a tënku parfois lii nga xam ne que tey gëm nañ ne que tey les quatre vingt quinze pour cent des populations loolu lañ mën ko. pour ñu mun ko libérer récemment gis nañ. Euh, les signataires, les intellectuels de ce pays, les universitaires haut cadre, mhm. le moins sans quelques signataires signés, mhm. l'acte pour demander sa libération. Mhm. S'il ne reste que quand même par respect de ces intellectuels, par respect de ces actes, par respect de ces érudits, qui compensent qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un avenir meilleur dans ce pays sans ces érudits-là. Ils sont quand même les fondements, ils sont le moteur, et en réalité, ils sont tout pour ce beau pays. Je pense qu'en résumé, là, mon noir, c'est un peu critique, mais je pense que y avons un avocats qui nous xam dit que en tant que c'est de de porter le débat public c'est de quand même lutter contre l'insécurité. nous allons continuer sur cette semaine malgré que nous metti maintenant. que jëm tey ces familles ñu lay araftu yaa ngi dem est-ce que da ngay ñib si mais quand même que nous avions opté d'être des activistes qu'il pleut ou nous le saurons, Inch'Allah comme ni nga ko euh, étant un activiste euh, koy souligner rek euh, un activiste mouvement F24 kon nak mi ngi rek tamit ñi ngi gis ni encore pour demain est-ce que sortie dafa pour réclamer le droit de ces détenus wala dafa am mission wala cause. Non, je pense que F24 n'a pas d'autre mission que ces missions qu'il avait portées depuis le départ. Mhm. Monsieur Ammoné Conlan, qu'il y ait des élections transparentes inclusives libres et apaisées mhm. et la libération de tous les détenus politiques et dire non à la troisième candidature de Macky par la garde, de cette question a été réglée mhm. verbalement évidemment maintenant pour les pour les points qui restent F24 va continuer quand même son chemin il va continuer son combat nous allons continuer à mener quand même des sorties pour quand même réclamer la libération de tous ces détenus politiques-là. qu'est-ce nga nous gëp nañu en tant que de la société civile voilà en tant que membre du plateforme F24 gëm nañ li lañ la jappé nous du nous allons continuer pour lutter pour ça parce que des membres des 24 nga xamné japp nañu parce que nous peut dañu pour li nga gëm nañ euh, mbébub Macky Sall moi acte yu posé à travers quand même euh, quelques mois derrière mhm. japon était il visait pour un troisième mandat mhm. par la grâce de Dieu nag moom rek les raisons pour lesquelles il s'est retiré de cette de cette décision mhm. donc euh, l'une ñu koy ñaan mooy nit boo defee lu baax da nga koy yëgali yëgali mooy les moi les deux jeunes là leur place n'est pas n'est pas en prison évidemment tey ndaw ñooñu jaf ñu war a liggéeyal askanu Sénégal bu en prison. Mhm. ñii ay doom béykat lañ ñii ay étudiants lañ ñii ay doomi lañ et pourtant ils n'ont rien fait du mal. Mhm. sama gis-gis sama opinion. ce que je pense mooy euh, loolu foofu du seen cër. seen cër mooy ñu bàyyi la ñu ñibbi quant à F24 F24 dafa am calendrier. Mhm. am nous fonctionner. fonctionné. bu ko mettre en place defoon nañ manifestation à la place de l'Obélisque pour dire non à la troisième candidature et je dis je dirai encore une fois que cette force de mobilisation a poussé le président de la République de reculer un pas en arrière. Notre objectif serait de faire montrer à Macky Sall que ce peuple sénégalais, quelle que soit l'estime qu'ils ont envers lui, il n'acceptera jamais un troisième mandat. Évidemment. Parce accepter un troisième mandat, c'est de sacrifier tous les martyrs qui ont tombé sur le terrain mhm. pour lutter contre cette cause. Donc, euh, par la grâce de Dieu, cette question a été réglée. Deuxièmement, moi, je sais que nous avons plateforme F24, moi, injustice muy les détenus politiques muy sélection des candidats F24 daf koy xeex wax nañ ko élection transparente inclusive et apaisée. évidemment képp ku nga xam ne ku war a bokk ci élection yi la ñu bàyyi ko mu bokk. amul kii dama ko ragal comme ni ñu ko defoon avec Karim Wade en 2019. Mhm. Mhm. amul kii dama ko ragal comme ni ñu ko defoon Khalifa Sall quelques années derrière. Mhm. amul kii dañ ko ragal comme ni ñu ko defee avec le président Ousmane Sonko. ce qui est si clair mooy nañu bàyyi askanu Sénégal ñu xool kii nga xam ne gëm nañ ne moo leen doy. parce que. New Book maintenant cette fois-ci mon élection les Sénégalais vont choisir un projet mais pas pour sanctionner un président parce que c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que ñu une élection sans le président sortant donc ceci va permettre quand même euh, d'augmenter le niveau du débat public, permettre aux Sénégalais de suivre quand même le vrai débat et de savoir quels sont quand même les bons candidats, quels sont les porteurs de projets qui pourront apporter un avenir radieux dans ce pays. Et je pense que c'est faux nous surtout le leader politique et le régime en place. Mais actuellement, le malheur que nous avons, c'est que nous différence tout que le président sortant n'est pas partant. Mais nous vivons les mêmes situations qu'en 2011. Et Personne ne parle de ces projets. Personne ne parle. Qu'est-ce qu'il personne, aucun candidat ne parle quand même aujourd'hui sur les plateaux, projet ou ambition. On parle des vies privées des gens, on parle des candidats, on parle des détenus politiques alors que ceci ne devrait pas être le débat à cette heure-ci. Est-ce que le débat Moi, si je suis président, qu'est-ce que je peux faire pour le Sénégal Évidemment bu ma Sénégal sur le plan qu'est-ce que je peux apporter sur le plan agricole économique et consort et consort qu'est-ce que je peux faire pour le Sénégal mais est-ce que débat libérer politiques donc vous bu le président Maxal, l'amour qu'il porte pour ce pays amnako, libérer a Sénégalais à la compétition là je pense que les Sénégalais vont choisir le meilleur mais euh, côté euh, est-ce que